le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Messieurs, Mesdames, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Moustapha Mamansani de la radio Gaskia Zender, une radio partenaire du studio Kalangou. Le forum, c'est un rappel, est diffusé sur l'ensemble des huit régions du Niger grâce à un réseau de 46 radios partenaires du studio Kalangou. À Zender, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Shukura sur le 105.5 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème Participation politique des jeunes, défis et perspectives. Ce forum s'articulera autour de trois axes, à savoir la contribution des jeunes dans le processus électoral, les enjeux liés à la participation des jeunes au processus, les défis et perspectives pour la bonne gouvernance politique et le développement du Niger. Pour en débattre, nous avons invité euh, Dr Gambo Elajissani, philosophe spécialiste de la politique Docteur, bonjour. Bonjour. Merci euh, de répondre à notre invitation. Euh, nous avons avec nous également Ousmane Zabayrou, jeune candidat aux élections locales. Monsieur Ousmane, bonjour. Bonjour. Et enfin, nous avons Monsieur Omar Amadou Abdoulaye, jeune candidat aux élections législatives. Monsieur euh, Omar, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous donc à ce forum du studio Kalangou. Le Niger s'est engagé depuis une trentaine d'années dans une euh, ère de démocratisation avec euh, le pluralisme politique et l'organisation régulière d'élections depuis les années 2000, avec le processus de la décentralisation des scrutins locaux sont également organisés. 2020 et 2021 sont aussi des années électorales avec des scrutins aussi bien locaux que législatifs et présidentiels. Cependant, ces derniers scrutins, contrairement aux précédents, voient un engouement inégalé des jeunes à travers une participation directe. En effet, jusqu'à une date récente, ces jeunes étaient relégués aux tâches subalternes. Leur participation se limitait aux mobilisations, aux affichages des drapeaux et banderoles ou même à des scènes de violence. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de ne plus rester à la touche et de tenter leur chance en déposant des dossiers de candidature aux différents scrutins. Sur euh, ce plateau, pour ce forum, nous avons avec nous deux jeunes candidats dans le cadre des élections municipales et législatives et un politologue. Avec euh, ces invités, nous allons discuter des défis et enjeux de cette participation politique des jeunes en lien avec la bonne gouvernance et le développement du Niger. Donc, euh, docteur Gambo, euh, nous allons commencer avec vous. Vous êtes philosophe et spécialiste en politique. Comment est-ce que vous expliquez ces regains d'intérêt et donc des jeunes à se présenter candidats aux différents scrutins Merci d'abord pour nous avoir fait l'insigne honneur de nous inviter sur ce plateau pour débattre d'une question de l'heure. Nous sommes à la veille de donc 2020-2021 qui va consacrer la mise en place euh, d'une nouvelle équipe et donc euh, à tous les niveaux, que ce soit au présidentiel, au législatif, local et régional. Effectivement, comme vous l'avez annoncé, effectivement, il y a un regain d'intérêt euh, de la part de la jeunesse en tout cas, on peut dire une première. Maintenant, comment comprendre un euh, tel intérêt pour ce secrétaire de développement 2021 Il faut d'abord, euh, en tout cas, l'annoncer et le dire qu'il y avait eu un déficit euh, de la jeunesse du point de vue du souci de leur avenir, du politique en parlant. Mais effectivement, c'est ce que la 2020-2021, en tout cas, vous l'avez dit, il y a ces régions d'intérêt. Et pourquoi nous avons dit qu'il y a un déficit Si vous faites le constat, vous faites euh, un regard en arrière, vous allez vous rendre compte que la jeunesse euh, s'est réduisée ou s'est limitée euh, aux structures habituelles, aux moyens habituels pour se faire entendre ou pour défendre leurs intérêts. Quelles sont ces structures habituelles ou moyens habituels C'est notamment les syndicats ou les sociétés civiles. Et mon on voilà on se rend compte qu'aujourd'hui, à, l'un de ces qui se pointent à l'horizon, on se rend compte que euh, les, structures euh, anciennes là ou les structures habituelles qui sont les syndicats, les, les sociétés civiles sont en train d'être désertées au profit des partis politiques. Et donc en intégrant les partis politiques, la jeunesse nous rend compte qu'aujourd'hui, c'est de doubler de statut donc d'une jeunesse euh, simple électrice euh, et, la jeunesse s'est ajoutée un, autre statut une jeunesse candidate. Donc le passage du statut d'électeur au statut de candidat. Maintenant, comment expliquer un tel euh, changement inter d'intérêt Il faut en tout cas pister et ou, envisager plusieurs pistes. La première des pistes, je suis tenté de dire que faites un tour en arrière, pour aller rendre compte qu'il y a eu moins de partis politiques que nous les avons aujourd'hui. Une autre raison aussi, c'est surtout au niveau du local qu'on constate euh, cette, cet là Et donc, l'élection locale depuis les premiers mandats, les décider en place ou les autorités en place datent de 2011. Donc ça fait pratiquement 10 ans qu'il n'y avait, pas eu ce local-là. Donc euh, il y a ces, paramètres-là, il y a beaucoup aujourd'hui plus en termes de nombre de partis politiques qu'il y avait eu les années antérieures. Et donc effectivement aujourd'hui, avec certain nombre de partis politiques, il va de soi que <laughs> les partis qui ont été créés ne peuvent pas euh, puiser leurs moyens d'action euh, humains dans les anciens. Donc ils vont non seulement travailler avec les adultes, mais aussi seront obligés de tendre la main à la jeunesse qui représente la partie importante donc de la population, donc plus de 50% de la, population est, est, jeune. Et donc avec ce nombre incalculable ou un peu important des partis politiques, normal que les partis politiques créés, nouvellement créés, tendent les mains euh, à ces partis politiques, non pas simplement pour les accompagner en tant que simples militants, mais aussi pour les aider donc à s'installer à l'échelon national, d'où cette main tendue là à l'endroit des jeunes pour donc les aider à être candidats. Il y a aussi le fait que avant les cadres habituels les moins habituels d'exercice euh, des droits citoyens de la jeunesse, ce sont le syndicat et les sociétés civiles. Mais il faut faire ce constat-là, il faut le dire sans vouloir être parce que ces structures-là ont échoué à prendre en charge ce qui est pour équiper la jeunesse. Et donc, la politique reste et demeure aujourd'hui la voie du salut. Et donc, avec ces systèmes-là qui ne donnent pas chance au, combat syndical, qui ne donne pas chance au combat de l'activisme civil. Donc euh, la jeunesse a compris qu'il faut changer de fusil d'épaule, d'où à notre sens. Donc c'est rien d'intérêt pour la jeunesse, euh, pour se retrouver, c'est Je ne fais pas un procès d'intention, je ne dis pas que tous ceux qui sont partis, donc pour, sont partis pour des intérêts mesquins ou égoïstes, mais tout de même nous nous rendons compte que ce que j'ai évoqué, donc la plupart des partis politiques là qui sont là, et le fait que euh, les syndicats, les sociétés et donc euh, on du mal à tenir chemin, on du mal à pouvoir faire face aux préoccupations de la jeunesse. Et donc, euh, la, politique est, devenue, comme l'avons dit, la voie de Saïd, donc euh, le refuge de la jeunesse pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir se une place. ça, c'est à tout le Pas simplement la jeunesse diplômée, donc scolarisée, même la jeunesse non scolarisée. si vous faites l'expérience, vous allez vous rendre compte que l'environnement, le, des affaires n'est favorable qu'à ce qu'il y une coloration politique. Et donc, vous, vous allez vous être commerçant, vous allez vous être diplômé, tant vous n'avez pas une coloration politique. Donc, vous serez à la traîne, vous serez donc à l'écart de la gestion, ou du votre avenir serait à son prix. Mm. Et donc, normalement, qu'à notre sens, ces paramètres-là combinés expliquent s'il y a des pour la jeunesse. Merci, docteur Gambo. Nous revenons à vous, monsieur Ousmane euh, Zaverou. Vous êtes jeune candidat pour les élections locales prochaines. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter aux élections de cette année Nous remercions le bon Dieu le Tout-Puissant par la volonté duquel nous sommes ici réunis pour échanger dans le cadre de ce que nous avons l'habitude de faire et en collaboration avec euh, le studio Klangou, ce que nous appelons activité de développement. Merci. J'aimerais d'abord euh, faire une petite euh, revue. Nous sommes dans un pays qui figure parmi les derniers de la planète. Ça fait des décennies que le Niger, dans le classement mondial des pays, est à la queue de la course c'est une situation qui interpelle tous les Nigériens, particulièrement nous les jeunes. Vraiment, nous sommes dit que la jeunesse est appelée à agir. La jeunesse doit agir dans le sens de construire le pays, de construire la nation. Et voilà, donc euh, nous devons en tant que jeunes nous engager dans toutes les actions de développement. Et plus, nous nous sommes dit qu'il faut pousser, qu'il faut essayer d'aller loin, il faut aller aux instances décisionnelles, participer à les prises de décision et contribuer efficacement euh, à changer, à changer le cours des événements, à changer l'histoire du Niger, donc à développer le pays. Voilà au fait ce qui nous a motivés. Nous nous sommes dit que vraiment ces élections-là de 2021, c'est vraiment l'occasion pour la jeunesse de d'être au dedans, d'être dans les instances de prise de décision, participer activement pour changer vraiment les choses. Voilà ce qui nous a motivés à nous présenter candidat aux élections locales. Monsieur Omar, donc euh, vous êtes aussi candidat aux élections législatives prochaines. Même question pour euh, vous, Omar. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter candidat Merci de nous avoir euh, accordé cette opportunité pour nous prononcer sur cette question de la participation de la jeunesse au scrutin de 2021. Et comme ce que le candidat précédent, a dit, vous savez, aujourd'hui notre pays, c'est un pays qui est toujours compté parmi les derniers, si on parle du développement, euh, le dernier de la planète. Même celui qui ne s'occupe pas de la politique, les adultes, les adolescents, même les, les enfants, ils savent déjà, on dit toujours, le Niger est dernier. Et vraiment, moi particulièrement, ça me fait toujours du mal quand j'entends parler du Niger toujours dernier, ici je vois les opportunités, les potentialités que le Niger dispose. C'est vraiment euh, quelque chose qui doit interpeller la conscience de tout le monde. Nous avons fait un constat selon lequel ici au Niger, cette situation que vit le Niger, beaucoup de nos politiciens, ça ne leur dit rien. Et c'est pourquoi nous, particulièrement, nous avons décidé de nous porter candidats pourquoi Parce que nous avons beaucoup d'ambition, nous avons beaucoup de projets sur le Niger et c'est pourquoi nous avons jugé utile de nous porter candidat pour amener un plus de l'édifice de notre pays. C'est vraiment pour venir euh, sur le terrain politique afin de changer quelque chose, afin euh, d'amener un changement, vraiment un changement qui est radical. Il y a certains qui disent c'est progressivement, mais moi ce que j'ai dit, il faut aller d'abord même à, l'esprit avec euh, l'idéologie du, du, changement. Il faut voir ceux-là qui sont devant nous, les pays là qu'on appelle les pays développés, comment est-ce qu'ils sont développés. Il faut faire euh, une analyse, il faut chercher à travers l'expérience des autres. Aujourd'hui on dit le Niger est dernier, ou bien on dit il y a avant-dernier, toujours c'est les deux ou trois pays qui sont derrière le Niger. Et même ce pays-là, si on regarde, on constate que ce sont des pays qui sont en guerre, et raison pour laquelle nous nous avons dit si euh, on a constaté la gestion, et ce qui se fait et toujours ce que nos politiciens font, et nos aînés, ceux qui nous ont dévancés, vraiment, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Il faut venir, et comme on le dit, un adage le dit, le bon maçon se voit au pied du mur. Nous avons décidé volontairement et consciemment de nous engager sur le terrain politique afin d'amener le changement. D'accord, merci Monsieur Omar. Euh, je reviens à vous Monsieur Ousmane. Quel changement comptez-vous apporter une fois élu Le Niger, notre cher pays, c'est inscrit dans une logique de décentralisation. Et je me rappelle, il y a de cela un an, qu'il y a même eu un grand pas, c'est-à-dire donc le transfert de compétences de certains domaines au niveau des localités, donc au niveau des collectivités, notamment l'éducation, l'agriculture, l'élevage et aussi peut-être c'est le débit avec les temps, la santé et les autres secteurs. Alors je me suis dit que vraiment c'est une bonne approche parce que le développement peut aussi s'opérer du sommet à la base. Donc, donc ça peut commencer à l'échelle locale et intéresser maintenant euh, l'échelle nationale. Voilà, je me suis dit, si une fois nous sommes dans ces instances-là, dans les collectivités-là, nous pouvons accompagner ces secteurs-là que nous considérons prioritaires. Mhm. Parce que qui dit développement, vraiment, s'intéresse surtout à l'éducation, l'agriculture, l'élevage, qui sont nos activités principales. Le Niger est un pays de l'agriculture, c'est notre culture, c'est notre histoire, l'élevage aussi. je crois que vraiment, si on accompagne ces secteurs-là, vraiment, euh, on peut réussir ce développement-là. Voilà en fait ce que nous pouvons dire comme contribution que nous proposerons une fois élus. Monsieur Omar, euh, comptez-vous apporter un changement à travers votre candidature Oui, certainement. C'est même ça qui nous, c'est même ce qui nous a motivés à venir euh, sur le terrain politique. D'abord, le changement, sur le changement de la mentalité. Aujourd'hui, si on dit que, que vous êtes candidat, vous êtes politicien, déjà les gens, ils ont à leur esprit, voilà quelqu'un qui a encaissé de l'argent. Voilà quelqu'un qui va venir nous donner de l'argent. Aujourd'hui, les Nigériens, de manière générale, ils ont à l'esprit que les politiciens, c'est quelqu'un qui doit donner de l'argent. C'est quelqu'un qui doit prendre de l'argent, nous donner pour que nous puissions aller le jour du scrutin pour voter pour lui. Euh, le premier changement est à ce niveau. Et ensuite, celui qui donne de l'argent, lui aussi, il part dans son esprit avec l'idée, euh, il a distribué et maintenant, il faut qu'il arrive à ramener tout ce qu'il a a pu dépenser. Et c'est après qu'il va commencer à penser à ce genre et aux bénéfices. Parce que beaucoup pensent que la politique, euh, c'est une activité lucrative. Beaucoup pensent que la politique, c'est juste une entreprise. C'est comme quelqu'un qui, ouvre une boutique. Et malheureusement, c'est ça l'idéologie de beaucoup de politiciens. Nous avons problème avec les candidats lors des débats, avec et euh, même beaucoup de jeunes aujourd'hui, malheureusement, c'est ça leur euh, pensée, c'est ça leur idéologie, aller sur la, euh, dans la politique pour avoir de l'argent. Nous comptons faire comprendre à la population de voir c'est lui qui peut faire quelque chose, c'est lui qui vous vient avec un programme, qui vous présente un programme, voilà ce que je vais faire pour vous une fois élu. Et ça à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde le sait, que ça ne va pas sur le plan éducatif. Même celui qui n'a eh, jamais été à l'école ou bien celui qui n'est pas dans le pays, qui entre dans le pays, le Niger aujourd'hui, il constate que ça ne va pas. Et l'éducation, eh, eh, on dit qu'on fait quelque chose, mais moi toujours, ça me fait du mal, euh, beaucoup du mal. Quand on parle, je constate que ce qui est fait, sur le plan éducatif, c'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant, mais pourtant on est en train de chanter. De, ça doit interpréter la, la, conscience de tout le monde. Il faut que ceux-là qui décident de s'engager sur le plan politique, d'abord d'aller avec le programme. Et c'est ce que nous, nous avons décidé de faire, de venir avec un programme, de présenter ça à la population, de commencer par la sensibilisation pour eh, changer la mentalité eh, de la population et aussi les camarades politiciens, ceux-là qui, sont, qui sont déjà engagés sur le terrain politique pour leur faire comprendre, voilà le but, un politicien, c'est celui qui vient à la politique pour servir la population et non pour se servir. Il ne s'agit pas juste de faire quelque chose qui va attirer l'attention de tout le monde pour qu'on dise voilà ce qu'on a fait. Non, mais de voir qu'est-ce qui est utile pour la population. Qu'est-ce que la population a besoin et c'est ce qui est utile, ce que chaque candidat euh, doit chercher, à savoir c'est un travail vraiment euh, qui est important, qu'il faut euh, faire au préalable, avant même de s'engager à la politique. Et une fois élu, la question suivante, ce qui est fondamental et ce qu'on ne fait pas ou bien qui n'est pas important chez certains politiciens, c'est la tenue de promesses. D'accord. Donc, euh, je reviens à vous, docteur Gambo. Vous êtes un analyste politique. Euh, qu'est-ce que ces candidats jeunes pourraient apporter comme changement au Niger, selon vous Merci. Euh, la jeunesse de l'arène politique, euh, quel changement euh, peut-elle apporter dans les mœurs politiques ou la gouvernance de la chose publique Je suis tenté de dire qu'il il ne faut pas beaucoup trop se faire d'illusions. Et pourquoi il ne faut pas trop se faire d'illusions Nous sommes dans un système qui est verrouillé. Un système verrouillé, pourquoi Parce que on a instauré une culture qui n'est pas du tout favorable à ce changement. Peu importe le discours volontariste ou l'engagement volontariste de la jeunesse candidate, elles sont en face, en tout cas, d'une situation, d'une réalité qui n'est pas du tout favorable à ce changement. Nous l'avons dit à l'entame de ce propos que pourquoi les regains d'intérêt pour la jeunesse pour certaines jeunesses, c'est la faillite du système qui préside à, leur engouement pour la chose politique. Donc, leur intérêt pour s'expliquer par la faillite du système. Donc, le système a failli et donc il faut que la jeunesse s'engage pour pouvoir apporter un plus, pour pouvoir contribuer, comme ils l'ont dit, à changer les mentalités qui sont combien aujourd'hui aujourd'hui malmenées ou qui sont combien aujourd'hui euh, en train d'aller contre ce que la politique ou le contrat social est censé garantir. Et les premiers changements, ou du moins que je suis tenté de ou de reconnaître. Ça, c'est évident. Et avec l'arrivée de la jeunesse de la jeunesse l'arme politique, c'est le rajeunissement de la classe politique. Ça, c'est évident. On ne se le nier. Mais du point de vue changement, comme le, euh, comptait la portée, en tout cas, comme l'avons dit, euh, le système n'est pas du tout favorable. Les mœurs politiques, comme l'ont dit, de cultiver ne permet pas, quel que soit notre volontaire ou leur volontarisme, que ce changement là soit possible. Mais tout dépendra de ce qu'on appelle, ce que les max ont appelé, c'est vrai, il y a les conditions conditions qui sont là. Et là, ça ne va pas. Mais les conditions subjectives ne sont pas du tout favorables. Pourquoi c'est quoi les conditions C'est les mentalités. On, a euh, cultivé dans l'esprit des uns et des autres, surtout les paysans, les électeurs, qui voulaient que, que vous soyez voté, mettez la main dans la poche. Et cette culture est solidement ancrée dans l'esprit du Niger, dans l'esprit des électeurs, ce qui fait qu'un discours volontariste de la jeunesse aura du mal à passer dans les oreilles des électeurs. Mais on ne saurait les nier, on ne saurait ne, pas les reconnaître. Déjà que la jeunesse, oui, le fait qu'elle s'est engagée c'est déjà un pas qu'on ne saurait nier. Mais la plupart de la jeunesse, comme nous l'avons dit, ils sont engagés dans la politique. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que l'heure n'est pas à la méritocratie, mais l'heure, excusez-moi des termes, je vais l'inventer, à, la militocratie. Tu ne saurais jouir du bienfaits de la République, tu ne saurais jouir du bienfaits de la politique ou de moins euh, de ton droit en tant que tel, tant que tu n'as pas une couleur. Et donc, si telle est la motivation qui ont présidé ou qui a présidé à l'entrée de la jeunesse en politique, donc il faut se dire que les changements là, le processus de se faire illusion. Mais tout dépendra donc, nous l'avons dit, des motivations premières qui ont présidé à l'intégration de la politique et aussi de ce que j'ai appelé les conditions subjectives. Et ces conditions-là ne sont pas pour l'instant réunies du fait de la situation dans laquelle végète la plupart des Nigériens. Donc cette mentalité d'assister d'Astana, cette mentalité qui consiste à s'attendre à ce que non pas un politicien puisse remplir le contrat social qui les peuples euh, et les politiciens, mais qu'on réduise la politique pour faire euh, pouvoir euh, marchander sa voix, pour pouvoir donc se faire voter. Donc c'était le cas en tout euh, cas, il ne faut pas, comme l'avons dit à l'entame de ce propos, se faire trop d'illusions quant à un éventuel changement qui est la jeunesse avec son entrée peut apporter pour l'instant. C'est vrai, ils vont bon euh, ils vont d'y mais pour l'instant, il faut que nous travaillions, comme l'on dit, à ce changement de mentalité. Et mais cela ne saurait passer ou être euh, acquis avec la sensibilisation. Et effectivement, les sensibilisations-là, euh, ces là déjà qu'ils sont en train d'entretenir, ça fait partie des contributions ou des voies du moyen qu'on peut aider à, changer, inculquer dans l'esprit des Nigériens que la politique ne se réduisait pas au fait que nous comptions sur les politiques, que la politique se réduisait ou donnant, donnant ou donner, le donner et le recevoir, mais que la politique doit être comprise comme un contrat qui doit réunir les politiciens avec les peuples. Donc c'est un projet de société qu'on est censé présenter au peuple et maintenant le peuple en fonction de sa compréhension, en fonction de la qualité du projet de société proposé par les, politiciens, que le maintenant façon euh, donc de ce qui doit présider à la destinée du pays. Alors deuxième question, docteur, euh, quels sont les principaux défis Vous l'avez déjà évoqué un hein, des défis, mais quels sont les différents défis que ces jeunes-là doivent euh, sont confrontés aujourd'hui Merci. Et les défis auxquels sont, sont confrontés et euh, les candidatures de la, du jeune ou de la jeunesse, c'est effectivement, il faut nous l'avons déjà, comme nous l'avons déjà annoncé, nous donner la couleur, c'est que la plupart de la jeunesse sont transformés au servent des fois du mouton d'épanouissement nous l'avons dit tout à l'heure, euh, ce qui a rendu possible l'engouement de la jeunesse pour la relation politique. Nous avons fait cas de la pluralité des partis. On fait en sorte que ceux qui veulent euh, se faire une place, les leaders qui les ont concoctés, qui les ont invités, donc euh, cherchent à faire de la jeunesse les moyens par lesquels ils peuvent leur, leur, ambition personnelle. Et donc, il faut que la jeunesse cesse de jouer ces des d'épanouir. Et donc aussi, au-delà du fait qu'ils se font broyer, ils se font enrouler, sans savoir donc les pro pour et le contre, il y a aussi un autre aspect, comme l'avons dit tout à l'heure, aussi, c'est que l'argent a été instauré comme les véritables de la guerre. Mm. Et donc, tant que cette question de l'argent ne puisse pas être euh, reposée, que nous puissions changer ces mœurs politiques, la jeunesse avoue avoir ce volontarisme. La jeunesse avoue donc euh, avoir euh, cet engagement tendant à défendre l'intérêt commun. Il faut se dire que, comme l'avons dit, notre rêve, l'espoir ne peut qu'être se à deuxième pas dans l'immédiat. Alors, je reviens à vous, Monsieur Ousmane. Quels sont les obstacles euh, auxquels vous avez été confrontés jusqu'ici et comment donc euh, vous les avez contournés voyez, qui se lance dans une entreprise, c'est tout à fait normal de croiser des obstacles. Nous dirons que pour cette fois-ci, il y a même moins de problèmes parce que, sincèrement parlant, les expériences de ces deux dernières décennies ont assez éduqué la population nigérienne. Le peuple nigérien a compris que vraiment l'achat des consciences, l'achat des voix ne profite pas à tous. C'est vraiment un grand pas et c'est une réalité. Il y a un grand pas dans le changement de mentalité. Je ne suis pas de ceux qui pensent que vraiment au Niger, les mentalités sont figées. C'est vraiment un espoir pour nous, la jeunesse, que le peuple ait compris. Et nous les apprenons tout le temps avec les témoignages des uns et des autres, des gens qui font leur aveu, il y en a même qui regrettent et par conséquent qui ont pris vraiment des décisions. Et j'ai dit ça, c'est grâce aux sensibilisations menées tantôt par les acteurs de la société civile, tantôt à travers par les médias eux-mêmes et quelque part nous, la jeunesse, parce que tout ce temps-là, on n'est pas resté bras croisés, on a mené beaucoup d'activités et vraiment, j'ai dit que ça a porté fruit. C'est bien le changement, on ne peut pas le voir de manière frappante comme on le croit. C'est même une illusion de penser surtout à un changement brusque. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce changement-là est amorcé. Et c'est intéressant et nous allons continuer dans cette logique de sensibilisation pour que vraiment au Niger, une démocratie véritable, une démocratie vraiment qui n'est pas polluée puisse voir le jour avec nous, la jeune génération. Bon, euh, l'obstacle maintenant, c'est au sein même de nos structures politiques avec les anciens. Vous m'excuserez du terme. Les anciens ont des stigmates sur nous, la jeunesse. Quand on dit jeune, on dit bon, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, c'est quelqu'un qui ne mérite pas les réflexions, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être assis, quelqu'un qui ne mérite pas en sorte d'être euh, impliqué dans les grandes décisions de, la nation. Je dis que c'est une erreur que nous sommes en train de commettre. Ce n'est pas parce qu'on a dit que cette personne-là est jeune, cette personnalité-là est jeune, que forcément elle va faire des bavures. Je crois que les idées n'ont rien à voir avec la jeunesse. Il faut voir les idées dans leur essence. Ce n'est pas un problème si les jeunes viennent avec des idées nouvelles, de les écouter. Et ce n'est pas une bassesse pour les anciens de, de, de, jeter leurs idées et de marier les idées nouvelles. Je crois que c'est là l'obstacle. Si vraiment euh, les anciens pouvaient vraiment nous écouter, et comprendre que aujourd'hui dans ce contexte que nous avons, chacun a sa place dans ce qu'on doit faire et que c'est même ça l'essence de la démocratie, la participation de tous. Il faut vraiment euh, cesser de stigmatiser, de stigmatiser les jeunes, il faut vraiment considérer nos points de vue, nos idées, il faut les intégrer. Il faut nous donner ces chances-là d'intégrer les autres structures du pays pour pouvoir vraiment apporter le changement. Parce que quelle que soit la situation, c'est une réalité qui est là. Le Niger, le pays de manière générale, ça ne quitte pas comme un véhicule, c'est une institution, comme le dit un Les hommes passent, les institutions restent. De façon, même si on ne collabore pas avec les jeunes, demain ce seront eux qui seront appelés à, être à cette place-là. Mhm. il faut que les gens sortent de leur tête que les jeunes, c'est celui-là qui veut le voter. C'est tout à fait normal. Mhm. C'est tout à fait normal que les jeunes vraiment veillent, pour, vous excuserez du terme, que les jeunes vraiment aspirent à cette fauteuil parce qu'ils veulent aussi. Hein, ces expériences-là, mhm. ces expériences-là, on ne les apprend pas d'un seul coup. Il faut donc prendre la main de la jeunesse, aller là où il faut aller. C'est dans ce sens-là que je pense euh, qu'on peut nous soulager. Vraiment, les anciens arrivent à changer au niveau de leur manière de faire, je crois que vraiment pour nous, les les jeunes, il n'y a pas de problème. Les obstacles, ce sont les anciens. Vraiment. Alors, monsieur Omar, qu'en est-il de votre cas Quels sont les obstacles auxquels vous avez été confronté jusqu'à ici et comment vous les avez contournés Pas moi seul, c'est presque tous les jeunes, c'est le même obstacle euh, euh, c'est le même obstacle partout. Et le premier obstacle, je dis, c'est au sein du parti d'abord. donc vous êtes dans le parti et moi, et avant de commencer, c'est pourquoi il y a une tradition en politique. Je ne sais pas ici vraiment au Niger, on fait la structure des femmes, la structure euh, après la structure, hein, on fait une structure pour le bureau ordinaire. Maintenant, du côté, on fait une structure des femmes, une structure des jeunes. Et pour moi, ces structures-là qui sont créées de côté, ce sont des structures juste créer pour mettre euh, ces deux catégories-là de côté pour qu'ils ne participent pas aux, instances de prise de décision. Et c'est pourquoi on fait le bureau, le bureau des jeunes. Moi, euh, personnellement, j'ai toujours critiqué ce bureau. Pourquoi le bureau, le bureau de la jeunesse Dans la plupart des partis politiques, ou presque tous les partis politiques, euh, les bureaux des jeunes, ce sont les, bureaux juste créés à part pour juste les utiliser pendant la propagande, dans les affiches des photos des candidats dans le jeu, des euh, les jeux de cascades entre guillemets, avec des motos, avec des, euh, des, voitures dans la ville. Euh, pour moi, ce sont des gens vraiment qui sont considérés comme étant des, des, moyens, des moyens pour les adultes, pour, pas les adultes, je dis pour les anciens, pour aller à leur but. moi, je critique ce bureau l'obstacle est à ce niveau. On fait tout pour que vous ne soyez pas dans les instances et dans les instances de prise, euh, de prise de décision. On commence à vous mettre de côté et pour que, même si vous êtes dans le bureau, parfois on fait des réunions sans vous, à votre insu. C'est que ce qui vous, vraiment qui vous concerne, mais comme vous êtes jeune, les anciens là, ils se regroupent parfois. Si vous avez un lieu de rassemblement, là où les réunions ordinaires se tiennent, vous allez voir le jour là, on ne va pas, les réunions là ne vont pas se tenir au lieu habituel mais ils vont créer un autre cadre ailleurs pour se regrouper. Juste pour que vous ne sachiez pas euh, ce, que vous... Des fois, on vous reproche le manque de secrets. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Personnellement, euh, j'ai des secrets et même avec les anciens, ils savent, il y a beaucoup de, des choses euh, que je ne peux pas dire ça à, certains, je ne peux pas dévoiler. Et même entre les anciens, moi, je dis que c'est même entre les anciens où il n'y a pas de secret. J'ai plusieurs fois entendu les gens, ils sont en train de parler des gens. Par exemple, ça ce n'est pas un secret, il faut qu'on se dise la vérité ici. Mais moi, je ne, suis jamais allé dire ça à quelqu'un ou bien dire voilà ce que Intel a dit pour moi. Moi, j'ai des secrets. Ce C'est pas tout jeune. Vous savez que nous, euh, dans notre société, euh, traditionnellement, nous avons des, euh, nous avons été éduqués et tout jeune bien éduqué, tout jeune bien éduqué et surtout celui qui a, qui a décidé de s'engager dans la politique consciemment et même d'être avec ce genre-là, moi je dis que c'est parce qu'il est bien éduqué. donc chez vous, le principal obstacle, c'est la marginalisation des gens. C'est la de la jeunesse. Mm. Et même euh, en dehors du parti, lorsque vous décidez de vous engager dans la politique, on vient, par exemple, si dans votre zone, dans votre commune, vous êtes avec quelqu'un qui qui est un ancien, toujours les anciens. on va venir voir les parents, on, on part, on voit un tel, mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce qu'un tel là, il cherche il euh, euh, Donc, une question pour vous, Omar. Vous avez tout à l'heure évoqué le manque, euh, l'utilisation de l'argent dans la politique que vous voulez combattre. Alors, n'est-ce pas là un autre obstacle qui peut, en tout cas aujourd'hui, parce que le docteur l'a dit tout à l'heure, que c'est une réalité, les gens aspirent à l'argent pour élire les gens. N'est-ce pas là un obstacle, le fait que la jeunesse n'a pas de l'argent C'est un obstacle, et même ceux qui et euh, va me ramener à, un peu euh, me rappeler de, euh, de ce qu'a dit le docteur. moi, je suis optimiste dans le changement de mentalité des jeunes, et de la population, pas des jeunes, de la population. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, le principal même, là-bas j'ai parlé de, au sein du parti politique, le principal c'est même ça. Et moi, c'est le travail que je suis en train de faire jusqu'ici avec la population pour leur faire comprendre que l'argent là, c'est juste un truc éphémère et qui ne va même pas vous permettre parfois de subvenir à certains besoins. Subvenir aux mm. besoins journaliers mm. même. Mm. Journaliers même, c'est insuffisant, insignifiant. Alors je reviens à vous, docteur. Euh, <laughs> je, je, vais vous couper, monsieur Omar. Docteur, alors quels sont aujourd'hui les atouts dont disposent les jeunes et dont ils peuvent se prévaloir dans le cadre des scrutins prochains et marquer leur différence avec les autres Merci. Euh, avant de pouvoir répondre à votre euh, question, en tout cas, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un des principaux défis de la jeunesse ou difficultés qui rencontre la jeunesse mm. candidate, comme on l'avait dit, ou je vais encore le redire, la jeunesse est insatisfaite. Certaines de ces jeunes là sont insatisfaites euh, de, la façon ou la manière dont sont gérés mm. euh, donc les biens publics. Et donc, ils assure, comme il l'a dit, mm. apporter un changement, mais il semble manquer, comme l'avons dit, euh, la armes moyen. La réalité est telle que aujourd'hui, euh, vous osez mettre votre main ou votre pied dans la, la politique, il faut vous financièrement être costaud, être, être solide. Donc, euh, c'est ça les principales difficultés, les principales difficultés, euh, comme vous l'avez dit, les électeurs n'entendent aucun autre discours si ce n'est pas celui de l'argent. Mm. Mm. Et donc, comme vous l'avez dit aussi, qu'un ventre creux n'a pas de morale ou n'a pas d'oreille. Et effectivement, c'est ce défi-là qui doit s'attendre à relever la jeunesse. Mais je ne suis pas votre optimiste, en tout cas, je suis pour l'ensemble pessimiste, les, conditions subjectives pour ce que cela soit ne sont pas encore disponibles. Mm. Maintenant, par rapport aux atouts de la jeunesse, je vais tenter de répondre aussi négativement par rapport à toute la jeunesse. Ce que euh, la jeunesse n'aura qu'à exploiter euh, les failles de la vieille garde. Donc ils vont devoir exploiter les faillites de la vieille garde, la classe, la, classe politique donc, euh, classique a échoué. Et donc ils vont pouvoir user de ce discours pour faire comprendre durant toutes ces décennies là que la, la, gérontocratie politique a géré ce pays qu'est-ce qu'ils ont apporté de concret, mhm. de tangible, mhm. dans, tendant au bonheur de la, au de la, de la population. Donc c'est cette faille-là, laissée par les vieille qui sont censés exploiter et remettre en cause cette idéologie de l'argent-là. Donc pour comprendre, donc l'argent-là, comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas, pas, pas la voie du salut. Donc la population devrait agir dans le sens de, comprendre ce que la jeunesse leur fait savoir, leur fait comprendre, donc l'intérêt de promouvoir toujours l'intérêt commun. Donc la jeunesse doit pouvoir exploiter ces failles-là. Mhm. Et donc avec les auront à, atteindre Maintenant, un, autre aspect, un autre demande, c'est vrai. Là, j'ai pu répondre positivement. La jeunesse, il faut, qu'on le dise. Si bien sûr nous prenons garde ou nous prenons conscience, la jeunesse représente plus de la moitié de la population nigérienne. Et donc, la jeunesse qu'on qualifie d'expérimenter, c'est vrai, c'est une question de préjugés, mais quand même, euh, le fait que la jeunesse soit cette de la partie importante de cette population constitue un avantage, mais prévu que, bien sûr, que, que certaines de cette jeunesse-là ça c'est de les, les moutons des panaches là. Pourquoi Parce que beaucoup de nos, euh, de nos jeunes sont broyés par les systèmes. Donc c'est là qu'ils les utilisent pour atteindre leur but personnelle. Donc tant qu'ils ne reviennent pas ou qu'ils ne comprennent pas cet enjeu-là, difficile que donc, les ambitions qui sont les leurs puissent être, puissent atteindre, puissent être réalisables. Mm. Donc euh, les atouts là, c'est non seulement leur, leur jeunesse, les qualités d'expérimenter, mais ils vont miser beaucoup plus sur la faillite de la vieille garde. Mm. Donc qui a montré ses faiblesses, mm. qui a montré donc euh, pendant ces décennies depuis la non, pas en, tout cas fait installer ces pays-là donc parmi les pays qui comptent. Et donc ça, c'est, ce sont des fois que la jeunesse peut être euh, avec tactique, avec stratégie, peut exploiter et donc pouvoir atteindre leur objectif. Merci, docteur. Monsieur Ousmane, dernière question pour vous. Où en êtes-vous par rapport aux préparatifs de votre participation aux élections prochaines Tout est fin prêt ou pas encore Il faut rappeler que comme nous tenons beaucoup à réussir cette entreprise que nous appelons Noble, nous avons préparé un plan d'action, un plan d'activité à l'échelle de <laughs> trois, trois mois qui comporte deux volets. Et le premier volet concerne la campagne préélectorale. électorale mhm. Donc nous avons tenu à faire des activités comme euh, l'a sollicité l'autre euh, que nous préférerions emballer comme ça. Mhm. Et à ce moment-là, les activités-là, nous les avons exécutées et le bilan est satisfaisant. Mhm. Nous sommes bientôt à l'approche de la campagne électorale proprement dite. Et là aussi, il y a un menu d'activité qui est au programme. Donc nous avons les nécessaires parce que, vous savez, notre armement, ce n'est pas ce moyen-là matériel. Parce que nous avons compris que c'est là où surtout on touche pour un peu disqualifier la jeunesse. Mhm. Moi, je ne suis pas d'avis que les moyens soient un obstacle proprement dit euh, dans ce contexte-là du Niger. Parce que nous sommes une jeunesse dépourvue en quelque sorte. Mais quand nous restons bras croisés, c'est un problème. Nous avons trouvé un moyen de contourner ça là. Et c'est quoi C'est d'aller vers les, le peuple, étaler notre programme, notre projet, convaincre les électeurs et mobiliser aussi nos amis jeunes à nous épauler, à aller ensemble avec nous, que c'est un mouvement, c'est une sorte de mouvement de la jeunesse. Et alors là, le premier résultat est là. Vous voyez, l'engouement là, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit. Nous l'avons préparé, on a sensibilisé beaucoup de, de nos camarades pour qu'ils s'investissent dans la participation. Et vous voyez, c'est déjà une lueur d'espoir que ce changement-là, ça va tenir. Et donc nous allons continuer dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses que nous, pouvons, nous allons nous tenir de ne pas dire parce que c'est dans le cadre de... <laughs> C'est votre arme. Mais vraiment, à cette période-là, vraiment, nous sentons que nous sommes à l'aise hein, avec notre programme, vraiment. D'accord. Monsieur Omar, dernière question également pour vous et de votre côté. Vous en êtes euh, où par rapport aux préparatifs de votre euh, participation aux élections prochaines Tout est fin prêt pour vous Oui, ou pas encore moi, Non, non, non. Si, si, si. Moi, je peux dire que vraiment, eh, j'ai fait eh, le travail à plus de 90%. Hein, parce que euh, ça fait longtemps depuis que eh, j'ai décidé de me présenter aux élections et j'ai déjà commencé à approcher ceux qu'il faut approcher et parfois les expérimenter. Il y a beaucoup les anciens, beaucoup euh, ne se sont jamais intéressés à la politique, mais ils ont euh, beaucoup d'expérience euh, de la vie et qui peuvent nous aider, qui connaissent beaucoup de choses. Nous avons approché et beaucoup, euh, heureusement pour nous, ils nous ont compris parce que nous leur avons présenté notre projet et nous avons échangé avec beaucoup de gens et nous ont, ils ont accepté de nous accompagner et nous avons commencé depuis là Et jusqu'ici, vraiment, je dis, tout ce que nous avons programmé, vraiment, nous arrivons à, à l'exécuter. Et d'ici quatre jours, nous. serons euh, dans la phase finale, j'appelle ça phase finale. C'est aussi un moment parce que nous avons programmé beaucoup de choses, mais parce que comme ce que nous avons fait antérieurement. Mais moi je dis pour le préparatif, vraiment, le travail à notre niveau, vraiment, nous nous sommes prêts, même demain, aux élections c'est ce que nous pouvons Merci, Monsieur Omar. Euh, merci à vous, M. Ousmane, et merci à notre euh, analyste Dr Gambo euh, El Sani. C'est la fin de ce débat. Nous en venons donc à terme de ce débat. Nous avons débattu sur la participation politique des jeunes, défis et perspectives. Et donc, on retient que l'insatisfaction a poussé les jeunes à la politique, mais il y a une question importante, la question de moyens, qui constitue un défi énorme, même si d'autres pensent que ce n'est pas euh, un, grand défi. Nous avions donc évoqué la place non honorifique de notre pays malgré ses potentialités qui constitue euh, un des aspects qui a poussé la jeunesse aujourd'hui à sortir pour euh, en tout cas se lancer pleinement dans la politique. Nous avons également donc évoqué des questions de changement de mentalité qui s'imposent aujourd'hui à toute la population. Le, nombre pléthorique, nous l'avons notifié également, constitue un des facteurs qui a favorisé l'implication, en tout cas plus importante des jeunes jeunes euh, qui se portent aujourd'hui candidats. Les obstacles, il y en a, nous en avons évoqué, et donc euh, le principal que nous retenons, ce sont les anciens qui ne laissent pas euh, assez de place aux jeunes. C'est la fin, donc, comme je le disais, de ce forum du studio Kalangou Au micro, Mustafa Mansani, je vous souhaite à toutes et à tous un bon après-midi. Au revoir.